Left me. Melvin Beats. Ikat kuri tanta balma gobiri inkini ina figi fonda bindi tini Kota galala amma aina sigi Ai manti falawo Bora kulkani Girbi girbi monadi Sanga ina fitiga kazima modigi Azima tari kota kere Ai bongo feri sanga ina Baba na samu Yeah Baba eh Baba Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, Daré dans Agia s'exprime. Vous, vous rappelez certainement le DDH Daré dans Agia. Il était sur l'émission Franco Aoussa hier avec la Miss Rim. Daré dans Agia a commencé véritablement la musique en 2007 pour rappel. Daré dans Agia est beatmaker, réalisateur, cinéaste, artiste chanteur, musicien. Il touche donc à tout. Il a commencé par le clash. À un moment donné, il était comme, on dit la machine, c'est-à-dire animateur, sur une radio de la place. Il a commencé la musique euh, à bas âge, a commencé par interpréter un certain nombre de choses. On a eu tout ça sur cette émission. Pour ceux qui ont raté, le premier angle, il n'est pas tard. Vous avez la possibilité d'aller à l'heure où je parle sur le site du studio Kalangu. Vous allez kiffer. C'est là. Dare dans Agia, Dondi la machine te souhaite la bienvenue. Merci Dondi. Hey, here. On est là sur Kalangu Studio on va bien petit <laughs> Et aujourd'hui, sur cette émission, nous allons parler, euh, n'est-ce pas Parce que hier, on était avec le parcours en question du combattant. Aujourd'hui, sur cette émission, on va parler un peu du contenu de Mr. Dari. Qu'est-ce que Dari nous a déjà proposé de 2007 à aujourd'hui Mais c'est de cela qu'il s'agit. Ouais, de 2007 à aujourd'hui, vous n'êtes pas seul de savoir que je suis le seul artiste nigérien. J'ai dit et je répète, le seul artiste nigérien qui n'a jamais tapé poteau à l'intérieur et à l'extérieur. Ça, Donc, tu fais déjà notre fierté. Jamais tapé photo. Super. International. Alors, on va commencer par Ma. Ouais. Tu as chanté Ma après ton bail. Mais ouais. Ma, ça donne quoi déjà Halananko gida Ma. Ina ado andi mimi di Ma. do dogo berna Ma. Keɗe kika mi saura a rayuwa, kenan da ci hala bada bada na mantawa. Oh oh oh, Tunda da na rasa aba wa uwa Ina na ta damuwa tu sais, de suivre le hein. au fait, ouais, je sais que tu fais, tu sais, tu, tu, es trop fort en ça. ça j'ai l'habitude de faire euh, un cas avec toi, un ultra plus sur un beat euh, que tu connais même pas, tu as toujours assuré, tu fais notre fierté et tu représentes bien le DJ. ça, je le sais. Il n'y a même pas d'inquiétude à faire. Alors, moi, moi c'est personnellement un son que j'ai kiffé, c'est un son que j'aime. Parce que quand tu chantes, moi, euh, je pense aussi à ma maman. Quand tu avais chanté la chanson, c'est vrai que toi et moi ne se ressemble pas parce que tu avais déjà perdu ton papa. Mais aujourd'hui, toi et moi, euh, je pense que c'est la chanson et ça me touche directement, Et c'est comme si c'est moi qui l'ai fait. Elle, elle, est là, elle va bien, ma maman, mon papa n'est plus. Donc du coup, euh, le chant, c'est pour tous ceux qui regardent cette émission, c'est pour toutes les mamans du monde. Alors, Daré, en dehors de moi, tu as chanté Tobay, le son qui t'a quand même euh, poussé au sommet. il faut le dire. Hein. Parlons de Tobay sur cette émission. ai gana sai bere ta bai a ganai sai kai na ta bai ba ni ga kana ga fai chorta raino daga na sai bere ta bai a ganai sai kai na ta bai ba ni ga kana ga fai chorta raino shi fa abokinka abun da dan uwa bai maka shi ne zai iya yi maka chorta raino shi fa abokinka Hadim furla sabura Il tue le il oh, mec, je vous dis que tous ces sons il donc on les posait ici et pas tous ici. Oh oh, oh, oh. Eh, eh eh eh oh oh oh oh oh eh attends, <laughs> eh, ne vous oh pas mon temps, eh, <laughs> ne vous oh pas mon temps. Alors oh, Oh, un album déjà disponible, deux albums disponibles. On va parler donc déjà de cela. Le premier Venista, c'était à la musée, MJC plein à craquer. Je me rappelle très bien de ah, cela. À, 21h. 21h, tout, était fait guichet fermé. Oui, on a vendu les souches, tout. Tout, tout a été vendu. Même derrière les souches. Quand on a laissé les gens rentrer, il n'y a pas de place. Ils ne peuvent pas rentrer malheureusement parce que. <laughs> tout à fait, Je me rappelle bien. Et, personnes ceux qui ne nous ont pas cru, on a repris ça. Oui, bien on, sûr. On a doublé, on a repris l'année qui venait. Bien sûr. On a tapé encore. Maintenant, après l'année qui, revenait, la diaspora euh, du Niger au Bénin, ont fait appel. J'étais parti là-bas, j'ai fait un guichet fermé, à, plein à craquer, et c'est publié sur ma page. Il faut fouiller, vous allez voir. Tout simplement, tout simplement, je crois en toi. C'était quoi déjà le, premier album C'était Tobay Le premier album, c'était Rap Conscient, Rap conscient. avait Et Un album de combien de titres Un album de 10 titres. On peut avoir quelques titres déjà, on a eu Ma, on a eu Tobay, et puis... Euh, on a eu Ma, il y avait Tobay, il y avait Rap Conscient. Rap Conscient. Ouais, il y avait... Euh, beaucoup de sons et je ne ouais, rappelle plus parce que c'est passé. Quoi. Bien sûr, voilà. Ouais. En dehors donc de cet album, est-ce qu'on peut déjà avoir un autre album Yerda. Yerda. Yerda.

rarement commercialisé. Sabon Solo qui n'est pas sur la les plateformes de téléchargement, qui était sorti sur clé USB, uh-huh. qui était vendu. Donc tu as déjà trois, albums. Trois albums et, une mixtape. c'était quoi le, la mixtape La mixtape c'était aussi Sabon Solo. C'était Solo. Comme la mixtape n'avait pas du tout pris, euh, j'ai dit que je vais faire un album Sabon Solo que cette fois-ci je vais vendre aux consommateurs de ma musique. Ok, donc ceux qui, te, euh, ceux qui aiment ma musique, je vais leur vendre la musique et la musique était devenue comme une boutique pour moi en fait. Il y a ma musique, il y a savon Solo dans ma boutique. Tu veux payer savon Solo, c'est 12 titres. Donc c'est dans une clé USB, tu amènes 10 000, tu payes euh, la clé. D'accord. Alors, des projets en cours oui, beaucoup de projets en cours. Euh, dans Des projets euh, internationaux Il y, a, des projets internationaux en cours. on fait partie des, Voix X Sahel on représente, moi je représente le Niger. Le Niger, X Sahel. Hein. Voix X du Sahel. Il euh, y a les Talbi, il y a Zena du Tchad, il y, a Awa du Mali, Malakai du Mali. Et beaucoup des artistes qui se sont réunis autour d'un projet, mhm. pour faire euh, une tournée internationale Ou bientôt nous serons à Paris pour l'Afrique à 2020 présenter euh, le Niger, Inch'Allah, euh, dans le ah. cadre de ces projets. Parce ah, que si c'est pas nous, c'est qui Il n'y a personne. Il <laughs> n'y a personne. Alors, de euh, Mr. on a déjà eu un certain nombre de choses. Ok, d'accord, parlons. On a parlé de tes albums, on a parlé de tes projets, cette émission. Nous sommes donc pratiquement à la fin de cette rubrique. C'est une rubrique consacrée, bien évidemment, à l'art et à ceux qui le pratiquent. Alors, est-ce que tu as un message à l'endroit des artistes nigérians Est-ce que tu as un message à l'endroit des consommateurs Parce que tu t'es déjà adressé à la jeunesse nigérienne, n'est-ce pas, hier. Alors, aujourd'hui, ça va être un peu spécial qu'ensemble nous puissions euh, faire avancer ce pays par la culture parce que nous nous croyons et nous croyons justement en vous. Alors tu as quand même euh, une minute de temps d'antenne, l'instant et cela est d'arrêt le Niger. Euh, toute l'Afrique, tout le monde entier, t'es suis à où pas. Le message que j'ai aux artistes nigériens, mes collègues, mes frères, mes amis, mes enfants, c'est de tout simplement positiver. J'ai à vous dire de positiver, positiver, positiver. Le deuxième message, il faut savoir comment gérer votre business. Ne, vous basez pas surtout euh, sur seulement la musique, sur les invitations. Il faut savoir comment businessiser. Sinon, si vous vous basez sur seulement la musique, je vous jure, il y aura la Positiver positiver, positiver, positiver encore. C'est tout ce que j'ai Sur la positivité, Mr. Daré. Alors, puisque tu tu insistes sur la positivité, on va finir avec, euh, bien évidemment, un plus. Ça, c'est un principe un signe positif. Donc, du coup, on va positiver sur cette émission, mesdames et messieurs. Daré était de la partie, les humains étaient de l'autre côté, la machine de ce côté, sur ces positifs. Et.